Sûrement, sûrement, sûrement qu'il n'ira nulle part. Honorable, le jugement se tient actuellement. on ne peut pas, on ne peut pas se prononcer sur loo xam ne xamaguñu fu mu jëm. bis bu xewee ñu toogaat wax la ñuy wax bu fekkee dafa am jotaay ñu toogaat jotaay mais li ñu waroon wax mooy wax nañ ko. amuñu benn décision bu ñu ci jël amuñu commentaire bu ñu ci def nañ xaar la fay génn incha allah rabbi. merci merci. Euh, jàmm dox. et puis nit buy dox jàmm. tu peux pas toi-même continuer di mettre la pression. je pense qu'on a assez. Euh, mis de pression sur le président Sonko. On a assez fait de violence sur la personne. On a assez bafoué ses, droits, le minimum. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour l'accompagner. Comme nous Wach moi, nous, le président Sonko, que ils nous ont empêchés d'y arriver mais on arrivera à la maison, Inch'Allah. Euh, on va euh, aller le soutenir, Inch'Allah. procès, on sait tous qu'actuellement, le procès se tient avec un autre juge. Le commentaire que vous faites là Non, le commentaire, c'est que, moi, amul Justice, parce qu'au moment où euh, même le gars qui devait juger, lui-même s'est retiré et a refusé de le faire. Il s'est fait remplacer. On a bloqué euh, la défense, euh, des avocats qui devaient venir, on les a fait retourner. Donc aujourd'hui, il est clair qu'au Sénégal, il n'est a pas, c'est plus un état de droit, c'est un état où on cherche à éliminer, vraiment, à éliminer des adversaires politiques, à éliminer un candidat qui est sûr de gagner des élections. Et ça, on l'acceptera pas. Nous, en tout cas, en tant que députés du peuple, nous avons pris beaucoup de décisions que vous allez, on va vous informer euh, d'ici ce soir, Inch'Allah, de toutes les décisions qu'on a prises, mais on est sur le terrain et on reste jusqu'au soir, Alors, M. Sonko refuse de se rendre au tribunal Non, il ne refuse pas de se rendre au tribunal. Euh, il suit juste euh, les orientations de ses avocats. Euh, lui-même, il a un document qui ne lui permet pas d'y aller. Mais de toutes les façons, euh, ce qui est important, c'est que la justice soit dite. Et on sait qu'aujourd'hui, toutes les conditions sont mises en place pour bafouer sa défense, pour faire de cette sorte que euh, le président Sonko ne soit pas, en tout cas, jugé dans les... Ce qu'il cherche, c'est juste euh, une décision de justice pour enclencher sur une procédure, appel ou autre pour y arriver. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup c'est de protéger cette nation, c'est de protéger ce pays mais surtout c'est de protéger la démocratie sénégalaise ce n'est plus un combat pour Pastef ce n'est plus un combat politique ce n'est plus un combat mais c'est un combat pour la dignité de tout un peuple donc tous les Sénégalais sont interpellés képp ku nga que les sénégalais nga lii di am injustice bu jéggi dayoo da nga xam suñ ko dina tay journaliste ñu tecc avocat ñu dàq justice ñu instrumentaliser législation ñu ñu occupé ko xamatuñu sax si ban dëkk lañu ñu nekk donc ñu ngi wax tous les sénégalais ñu xam l'histoire est en train de s'écrire et que ku ci nekk si ñun tu as une responsabilité par rapport ak li nga xam mo ngi am te ku seetaan ëllëg ak si biir dina la fekk sa biir